Génération FM. Generation FM, the best radio. Respectivement, le 26 février et le 10 mai 2022, l'État a procédé à la rivalisation des salaires des agents des dix secteurs. Il s'en est suivi une généralisation, cette rivalisation aux autres agents de l'État. Cette mesure a occasionné des perturbations au niveau des collectivités territoriales dont les travailleurs réclament que leur soient appliquées ces augmentations conformément à l'article 29 de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011, relative au statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Toutefois, l'article 30 de la, de la loi susvisée stipule que la rémunération et les indemnités auxquelles a droit le fonctionnaire des collectivités territoriales sont à la charge de la collectivité territoriale. Par conséquent, je vous saurai gré des dispositions qu'il vous plaira de prendre pour l'application de ces dispositions réglementaires au personnel de la fonction publique locale conformément au barème 6 juin afin de préserver un climat social apaisé. J'en appelle à votre sens de responsabilité pour une exécution correcte de la présente lettre circulaire et vous prie de croire, mesdames et messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée. Le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Tala. Oui, après cette, euh, cette concertation, parce que cette concertation est née de la rencontre entre l'association des maires et l'association des présidents de département avec l'intersyndicale des travailleurs de collectivités territoriales, euh, co-présidée par le ministre de, des collectivités territoriales. Donc, à l'issue de cette rencontre, effectivement, ces, autres, ces, associations ont reconnu effectivement qu'ils doivent des augmentations aux fonctionnaires des collectivités territoriales. C'est à l'issue de cette rencontre, maintenant, qu'effectivement, qu'ils ont mis en place un circulaire que le président, en rapport avec le ministre des collectivités territoriales, ont sorti une lettre circulaire pour montrer à tous les maires et à tous les présidents de département qu'ils doivent s'acquitter de, de, ces augmentations. À Ziguinchor, ils n'ont pas respecté. C'est dans l'étendue de la région de Ziguinchor. Ils n'ont pas respecté. La, la, la, la cet article doit démarrer depuis le 31 mai. C'est-à-dire à partir du 1er avril, véritablement, tous les travailleurs des collectivités territoriales devaient sentir ces augmentations. Parce qu'il n'y a pas une seule collectivité locale qui n'a pas reçu ces, lettres circulaires et ce barème de paiement. Mais bien sûr, nous nous ne disons rien d'autre que ça, que l'application véritablement de ces accords. Sans quoi Sans quoi, mais on va continuer à nous battre jusqu'au jour où on va, on va, on va l'appliquer. Dans la mesure où d'autres collègues, d'autres camarades qui sont dans d'autres circonstances ont été, ont été payés. Nous avons un plan d'action. Aujourd'hui, c'est un sitting jusqu'à 11h. Et nous allons regagner nos bureaux. Mais demain, nous allons effectivement travailler avec les brassards rouges et les trucs jusqu'à 10h. On va observer un débrayage à partir de demain à 10h. Jusqu'au lendemain nous interpellons, L'interpellation, c'est au, niveau des autorités qui ont aujourd'hui la clé. Parce que c'est eux qui ont la clé. C'est eux qui doivent ordonner. C'est eux qui doivent donner euh, l'autorisation aux comptables pour effectivement que ces applications, que ces augmentations puissent se faire. Donc nous avons eu beaucoup de rencontres avec eux. Mais nous avons vu véritablement que c'est un délatoire qui se fait. Donc compte tenu de ça, nous disons non. Nous ne, commandons pas, mais nous réclamons ce qui nous appartient. C'est la raison pour laquelle nous avons montré aujourd'hui ce, ce mouvement d'humeur mais bien sûr, en signe de détresse, en signe de désolation et en signe vraiment de... je, ne peux même pas le, le, qualifier. Aujourd'hui, nous sommes très dessus, très, très, très, très, très dessus. waaw suñu maire bi lu ko waral mooy xam ngeen ne mairie ak euh, département yàgg a ci grève nekkoon nañ ci mouvement de grève depuis presque six mois Bon, nous mujjee trouver un accord avec toutes les autorités avec l'association des maires et l'association des présidents de département pour nous xoolaat suñu salaire

nous gis effectivement dara def dara defuñu ci dara donc tay le 31 mars le démarre c'est-à-dire le 1er avril bi bépp liggéeykatu euh, collectivité locale muy mairie muy département nous na sentir augmentation tay ci salaire am ci bulletin de salaire mais gis nañ ne defuñu ci dara donc ñu ne nag lu ëpp tuuru parce que suñu nous du tay la commencé suñu avons commencé na lu nous yàgg parce que nous avons des heures supplémentaires nous avons des indemnités de santé yi nga xam ne suñu xarit xarit yu nekk ci hôpital ñu parce que mais mais le ko région de Ziguinchor parce que nous vivons presque toute la région de Ziguinchor mais nous commençons d'abord, nous ñun fi d'abord la mairie de Ziguinchor nous la mairie de Ziguinchor la commune de Ziguinchor nous Nous depuis lors dara dara dara nous ko ci te amoon na ay Nous parce que nous diso ak nous nous toujours ci suñu mais nous il faut nous fassions maintenant Le li nga nous à pareil moment sitting à 11h nous devons faire Nous pour servir la population de Ziguinchor nous devons servir la population de Ziguinchor parce que la population de Ziguinchor nous sommes des euh, gens intégrés de la population mais nous devons faire tout.

mais bien sûr mais brassard rouge yi ak le le toute la semaine là on sera toujours en rouge pour montrer notre mécontentement total on le montrera partout où nous sommes partout même si on va vers des rencontres on sera en rouge totalement en rouge nos camarades qui ne seront pas en rouge vont aller chercher le rouge avant d'entrer dans les salles parce va montrer notre mécontentement. Euh, voyez la réaction que j'ai au niveau de cette posture, j'avoue euh, ils font de la politique. Ils font de la politique. C'est désolant de coopérer, de travailler avec des gens qui sont des politiciens. Euh, depuis l'arrivée du maire Ousmane Sonko, ici dans la commune de Ziguinchor, il a misé sur l'intérêt de la commune de Ziguinchor. Cela veut dire, ce qui l'intéresse, il n'y a pas d'agent PASSEF, ni d'agent UCS, ni d'agent Bernard Bokoyaka. Tous les agents, on les considère comme des fils de Ziguinchor. Il n'y a pas de politique au niveau de la mairie. C'est dans ce sens qu'il n'a pas encore recruté, qu'il n'a recruté aucun de ses militants. Et du coup, on a laissé le soin et les responsabilités qui a été euh, laissées avec l'ancien maire Abdoulaye Baldé, ce sont ces mêmes éléments-là qui sont là et qui travaillent. Mais j'avoue qu'ils ne méritent pas cette considération-là. Parce que s'ils décident de faire une grève ou bien des sittings sans pour autant déposer un préavis, ça, c'est très nébuleux. C'est très nébuleux. Mais nous, ils n'ont pas eu le temps de bloquer le système. Parce que tout fonctionne au niveau de la mairie. L'état civil, tout fonctionne. Les recettes, tout fonctionne. Le secteur de l'assainissement, tout fonctionne. Ils sont là uniquement pour faire leur show. Ils sont là uniquement pour faire une politique qui n'est pas du tout favorable à la, à la mairie. Parce que ça va bientôt faire un an, un an, nous, en tant que responsables, et M. le maire, en tant que responsable, on les considère tous comme étant des gens de, euh, de même pied. Mais il s'est trouvé que le samedi passé, au niveau de l'Internet, des réseaux sociaux, ils ont déposé un plan d'action en disant qu'ils feront des sittings aujourd'hui, demain ils feront des brayages, après-demain ils feront des brayages. ils n'ont déposé aucun préavis au niveau du secrétaire général, au niveau de l'administration et au niveau du service ressources humaines. Non, l'État avait pris cette décision parce qu'eux, avaient porté un combat avec l'État. Ils avaient porté un combat avec l'armée. finalement, ils comptent de décentraliser, faire un combat local. Parce que l'État avait promis, mais ce que l'État avait promis avec le ministre et le président Macky Sall et aussi euh, l'association des maires du Sénégal. Il avait promis une augmentation, mais qui va supporter l'augmentation La mairie de Ziguinchor ne peut pas supporter cette augmentation-là, étant donné que c'est une augmentation très salée et on a des finances très fragiles et on a budgétisé et commencé à exécuter le budget. Donc présentement, il y a trois conditions qui supposent, si on compte, de faire face à cette charge et à cette augmentation-là. La première condition, nous allons procéder à une renonciation de tout ce qui est acte de financement. On ne pourra pas faire des actes d'investissement au niveau de la mairie. Cela veut dire que les investissements qui ont été prévus par la maire euh, de faire, euh, de créer deux marchés, un marché de poissons et un marché de fruits et légumes, et aussi de faire des clôtures des murs de classe, et aussi euh, de faire la création d'un terrain pour les jeunes. On a eu plus de 10 investissements à faire pour cette année dans le PAI. Donc tous ces investissements, on va les laisser à côté et payer les travailleurs. La deuxième méthode, c'est juste, donc au niveau des taxes communales, on va augmenter le taux des taxes si une famille, ou bien si un tailleur, ou bien si un Jakartaman payait 3 000, donc il va payer 9 000 pour faire face. Et cette augmentation des taxes-là, ce n'est pas du tout conforme et ce n'est pas du tout souhaitable. Et nous, on n'est pas du tout prêt à faire ça. Et la troisième et dernière, c'est de faire un licenciement, diminuer le personnel. Voici les trois méthodes pour que la mairie puisse euh, solliciter et faire face à cette demande des travailleurs-là. Oui, on a évalué le coût de cette augmentation-là, mais pour le coût de cette augmentation-là, si on fait, donc on aura une masse salariale de 800 millions et quelques. 800 millions et quelques que la mairie ne peut pas supporter parce qu'on a des finances très fragiles. On n'a pas beaucoup de potentiel pour avoir beaucoup de recettes au niveau des taxes et on n'a pas beaucoup de niches. Parce que si vous regardez cette année, on a eu à faire des efforts et le maire a fait des sacrifices au niveau de ses privilèges. Il ne reçoit pas son salaire. Il ne reçoit pas de ses indemnités. Tous ses frais de déplacement et tout ça sont supportés par lui-même. Tout ce qu'il a, comme bien, comme matériel, comme machine, comme tout ça, comme dons médicaments, il amène à Ziguinchor. Il croit à cette ville, mais il ne mérite pas ça. Parce que le problème, il est très mal entouré au niveau de ces gens. Ce sont des gens politiciens à qui il a trouvé ici et il compte coopérer et collaborer avec eux, mais il ne mérite pas cette coopération et cette collaboration-là. Nous, ce qu'on compte faire, on va riposter ce que la loi nous donne, on va riposter en fonction de leurs actes. C'est des actions politiques, actions politiques, réponses politiques. Et ils ne vont jamais, jamais mettre le désordre au niveau de la mairie. Aujourd'hui, ils sont là pour faire le petit show de Momodou et d'Aïssatou, mais Néanmoins, tous les services fonctionnent. Tous les usagers qui passent à la mairie, ils reçoivent leur acte de résidence, ils reçoivent leur acte d'extrait et, ils reçoivent leur acte euh, de, mariage. Et au niveau des services de recettes, tous les points de recettes travaillent, fonctionnent correctement. Et au niveau des services ramassage d'ordures et nettoiement, tout fonctionne à merveille. Donc il n'y a pas d'incidence négative au niveau de ces choses-là waaw augmentation des salaires bobu ñom munuñ leen ko fay ñun munuñ leen ko fay parce que ñun promettre ñu leen ko té état bu leen ko promettre dugalu ko ñun en contrepartie suñu caisse pour ne leen augmentation bu personnel don réclamer la. ñom dañu négocier ak le président Macky Sall négocier ak le ministre négocier ak l'association des maires mu leen dem leen mairie bi dina leen fay léegi ba mu wax ne dem leen mairie bi dina leen fay ñom fa lañ daano

ay ben ay ki ay ay ay ay yoon yooyu yëpp bëgg na def mais léegi ñom dañu bëgg xaaliss bu mu bëgg def lool mu bañ ko def pour la population de Ziguinchor ñëw jox leen ko ñom sen xaaliss pour augmentation parce que état bi wax na lool loolu mënuñu ko def deuxième point bi moy ñom lan lañ bëgg dañu bëgg léegi taxes yi ñu augmenter ko jakartaamaan ñu doon fay 3000 ñu yóbbu leen 9000 wala 6000 ne leen parce que dañuy fay personnel bi wala ñoo bëgg maison yi luñ doon fay mbala tailleur luñ doon fay

nous jël leen dàq leen dàq ñoom seen grève ñu un personnel réduit pour satisfaire leur demande trois méthodes yëpp baaxul trois méthodes parce que buñ avons am satisfaction bi masse salariale aux environs de 800 millions et quelques nous ko supporter mënuñu ko supporter donc soit une augmentation de 223 millions et quelques donc cela veut dire qu'on aura une augmentation mensuelle de 18 millions bu 55 de la masse salariale a été augmentée loolu mairie bi peut supporter parce que les finances de la mairie sont des finances très fragiles la mairie ne peut pas faire face avec et au niveau et au moment de la négociation newul que ne la mairie moment validé la négociation bi newul que la mairie moo leen promettroon Nous dañuy politique ay action politique la actions def parce que on a 555 communes au niveau national amul benn commune bu yëngatu la moo tax Ziguinchor rek la motax ñom rek ñu ñew bu ñu yënga duñu def préavis ñu naan ñu lan préavis bu ñu déposé won au niveau national national avec l'intersyndicale déposé ko dafa valable jusqu'au mois de juin non l'intersyndicale Grève bu doon l'intersyndicale ñoom ñoo protéger euh, euh, vérifier ko au niveau national ñëpp ñu dem grève mais dañoo toog ba si kanam ñun ñu amoon si ñoom confiance wóolu leen jàppoon leen ni comme ay frères et sœurs jàppoon leen ni comme ay parents mais dañoo dem ba à un certain moment dañu trahir dañu fausser de compagnie parce que bu fi la monsieur le maire Ousmane Sonko ñëwee ba léegi nii poste yëpp yu mu fi fekk avec leur leur responsabilité mu ne moom lu intéressé c'est la compétence si quelqu'un est compétent il n'a qu'à continuer à rester et travailler carrément mais un problème national duñ ko jël bu ko def un problème local sur ça c'est des actions politiques dañuy politique action politique réponse politique mais amul lenn loo xamante ne bloqué nañ ko si suñu système état civil bi mu ngi dox usager bi yëpp ñu ngi ñëw di ut ay extrait ñu leen koy jox di ut ay résidence ñu leen koy jox di ut ay acte de mariage ñu leen koy jox y a un service qui est là qui travaille beneen acte bi mooy le service des recettes de la mairie mu ngi dox tous les services nettoiement mu ngi dox bii c'est un petit groupe boo xamante ne ñoo toog fii pour faire leur petit show rek di wane ne non non non ils ne sont pas du tout contents di masquer benn politique bu ñu bëgg a def envers la mairie te boobu du dox duñ ko bàyyi mu dem. Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM.